Tous fondèrent en lui leur espoir. De retour du Gabon, Bolof, Nar, à Ampoulard, tous l'accueillirent avec faveur en scandant car, car. La vérité triomphe toujours de la force, hormis pour les ignorants. Car les anges sont les boucliers de l'allée de Dieu contre les méchants. Une des preuves la plus éclatante connue de tous au Sénégal les millions de, millions de pèlerins qui déferlent à l'heure du Magal, à celui qui vient contredire ceci, contente-toi de sourire et continue de suivre la voie de Borom Touba sans faillite. Du C'est à savoir, les provisions des croyants à demi au jour du jugement sont la bonne intention ainsi que la bonne parole dans les règles. Mhm. Il y a longtemps que le très saint fut la prédiction, mhm. mais ces déclarations dit, annoncées arrivent à point. D'autres sont en attente qui suivront. Mhm. Ces prédictions, quelle que soit la durée, se réaliseront. Wal-Fajri wal sont les propos du Seigneur. Fajri Yana Biha que Bamba déclara. L'hymne national chanté au Sénégal un jour sera changé car nous serons oh. à l'inaugurer. Mm-hmm. Si vous saviez les vertus des paroles de Bamba, mm-hmm. vous vous dresseriez résolument à remuer la terre boueuse. Mm-hmm. Quiconque bénéficiait d'audience dans le passé fut oppressé par le colon à se l'appropriant entière. Tels furent les rapports entre lui et l'acteur spirituel. Mm. Récompensant les uns, menaçant les autres, les convoquant, mm. la peur des hommes religieux au colon date d'il y a longtemps. Mm. Qu'ils soient du nom de Mbaké ou du nom de Si, de Bala à Mamaram, dans la mêlée, Bamba est au-dessus. C'est wane say mbir te doon na mbir yoo xam ni moo gën a kawe ay mbir yóbbu nañ la fu nekk te teewul ngay gën di tal sa boroom te teewul ñu dugal la ci ab nekk samp fa ay ràbb te kenn du ko buub leeru yàlla fekk na fa ak maam jaara moo bari daraja te moo bari daara